ñàkk kaaraange bu tar mu am si diwaanu Kër Massar Sud benn gardien ay samba boy daal di dóor pistolet mu daal di ñàkk bakkenam ñooñu sax dañu joto daw ci xibaar yi ñuy jot ñu ne mbir bi mu ngi xewee diggante altine bi ak talaata bi ci booru trois heures du matin ñooñu samba boy yooyu yore ay gànnaayu takku lu ci mel ni ay pistolet ñoo ñëw ci parking bi nga xam ne la gardien bi fala doon garder ñu jël ko di ko fuyee bu ñu paree ba gisuñu ci moom dara si lañ ko joto dóor ay sox moom sax mu daal di joto am ay gaañu gaañu gendarme romb foofu doon def patrouille bu ñu déggee sox yooyu si lañ ñëw foofu ngir mën a jéem a wàllu gardien boobu si sa sax jur diggante ñoom ak sàmba boo yooyu ay dóorante sox ba sàmba boo yooyu joto daw gardien bi gannaaw bi nga xam ne nag amoon ay gaañu gaañu gendarme yi def nañ lu ñuy wax réquisition ngir sapeur pompier yi rawale ko hôpital waaye mbir boobu de antuwul ndaxte ci yoon bi mu foofu la gardien boobu gaañu te ñuy ooyee turu mbaar joto ñàkk ba kenam fu mu toll nii gendarmerie Kër Massar Léral. Leral. Insécurité à Kermassar Sud, un vigile fortement tué à coups de pistolet au quartier Grand Médine de la localité par des assaillants qui ont pris la fuite. Selon nos sources, le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi dernier vers les coups de 3 heures du matin. Des hommes armés jusqu'aux dents de pistolet ont fait irruption sur le parking que surveillait le vigile. Après avoir brandi leurs armes à feu, les assaillants ont fouillé le vigile avant de tirer à bout portant sur lui, ce qui va conduire à sa blessure. Les gendarmes en patrouille non loin des lieux, se sont alors repliés sur le lieux pour tenter de le sauver. Il s'en est alors suivi des échanges de tirs entre eux et les assaillants qui vont réussir à prendre la fuite. Par la suite, les gendarmes de Kermassar ont effectué une réquisition pour l'évacuation du vigile blessé dans une structure sanitaire de la place. Mais malheureusement, le vigile du nom de Mbar va succomber de ses blessures au cours de son évacuation. Nos sources nous signalent d'ailleurs que la gendarmerie de Kermassar a ouvert une enquête pour élucider cette affaire. fé